Fidèles auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalango. Je suis Michel Deji au microphone. Le bilan des observateurs nationaux et internationaux sur l'élection présidentielle euh, deuxième tour au Niger, c'est le thème du forum euh, d'aujourd'hui. Le Niger se prépare à rendre effective sa première alternance démocratique, c'est-à-dire le passage du pouvoir d'État d'un président démocratiquement élu à un autre. Selon les résultats globaux provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat du PNDS, Tareya Mohamed Bazoum, a obtenu 55,75% des suffrages exprimés valables contre 44,25% pour le candidat du RDR Changi Mohamed Ousmana. Il sera ainsi question au cours de ce forum de voir tout d'abord le travail abattu par les observateurs de ce scrutin du 21 février dernier et leurs constats sur son déroulement. Ensuite, nous nous apaisantirons sur leurs recommandations dans le cadre de la poursuite du processus électoral au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Mohamed Bachar, coordonnateur du réseau Espérance. Coordonnateur, bonsoir. Bonsoir. Et M. Clément Koukou, membre de la cellule de veille électorale mise en place par le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, le WANEP, West Africa Network for Peace Building. Monsieur Clément Koukou, bonsoir. Oui, bonsoir. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, je vous donne la lecture des principales déclarations préliminaires faites par des missions d'observation internationales du scrutin présidentiel second tour pour euh, la mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD. Le second tour de l'élection présidentielle du 21 février s'est déroulé conformément aux dispositions du Code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Quant à la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, elle a affirmé que le scrutin présidentiel deuxième tour du dimanche 21 février 2021 au Niger s'est déroulée dans des conditions libres, équitables, crédibles et transparentes. La mission d'observation de l'Union africaine, pour sa part, a qualifié la tenue de cette élection comme une grande victoire en soi pour le peuple nigérien. Quelle analyse sur ces différentes déclarations préliminaires des missions de ces trois organisations, à savoir la CENSAD, la CDAO et l'UA, M. Maman Bacha. Merci Michel euh, pour euh, cette opportunité que vous nous offrez. Euh, ce que vous venez de lire en ce qui concerne ces différentes institutions, notamment la CENSAD, l'Union africaine et la CDAO, de justement de l'évaluation de la mise en œuvre d'un certain nombre de normes, notamment internationales en matière électorale, en lien avec euh, justement les normes nationales en la matière ici, en l'occurrence le code électoral. Donc euh, l'observation électorale, euh, dans son esprit, en vérité, c'est un rôle d'accompagnement et euh, de certification euh, de la sincérité, en tout cas au moins de la conformité du processus par rapport aux normes euh, internationales d'abord, ensuite aux normes nationales. Mm-hmm. L'observation institutionnelle, s'il faut la qualifier ainsi, c'est-à-dire celle qui concerne notamment CENSA de l'Union africaine et la CDAO, dénote euh, d'une observation, mm-hmm. si vous voulez, relevant des institutions public international. Donc, euh, elle est, euh, si vous voulez, encadrée par des principes diplomatiques, par des exigences euh, en tout cas de réserve par rapport à un certain nombre de choses hum. euh, sur lesquelles ces types de missions-là ne peuvent pas euh, effectivement faire cas. Mais l'essentiel, en tout cas, de ces types de missions d'observation est de faire en sorte que au moins les prérequis, en tout cas en ce qui concerne le processus électoral lui-même, puissent euh, être ressortis à travers justement cette observation. Les prérequis, c'est quoi Est-ce que les bureaux de vote ont ouvert à l'heure Est-ce que les bulletins sont disponibles pour euh, les candidats en compétition Est-ce que les représentants de chacun des candidats est présent dans les bureaux de vote Est-ce que euh, le cadre où s'est fait l'élection elle-même et, et Est-ce qu'il y a une affluence de jeunes, de femmes, euh, mhm. etc. Ces différentes missions ont relevé justement que globalement, le bilan est satisfaisant, ce qui leur a permis d'ailleurs de tirer donc euh, ces, conclusions, euh, que nous avons énumérées à l'instant. Oui, mhm. donc lorsque on considère que ces éléments fondamentaux ont été respectés. Donc, il y a lieu de dégager un certain pourcentage. Si, par exemple, on a un pourcentage allant au-delà de 80 à 90%, on peut considérer que le processus s'est donc déroulé globalement de manière satisfaisante. N'empêche, maintenant, pour ceux qui concernent les concernés eux-mêmes, lorsqu'ils constatent un certain nombre d'irrégularités, d'en faire cas et de faire leur réclamation. Il n'appartient pas donc aux observateurs que nous sommes de nous substituer soit un superviseur électoral ou euh, un juge électoral. Donc le rôle de l'observateur, c'est de constater effectivement est-ce que les normes ont été respectées et est-ce que les conditions qui étaient créées permettaient effectivement aux électeurs de pouvoir exercer librement leurs droits. Mmh. Le dernier élément qu'il faut retenir pour ce qui concerne les principes de euh, l'observation, et c'est aussi ça l'éthique de l'observateur, c'est qu'il doit être euh, non seulement neutre à équidistance entre les différentes parties en compétition et surtout il ne peut donner ses conclusions que sur la base des zones ou des bureaux de vote qu'il a effectivement observé. Donc euh, là où vous n'avez pas observé, vous n'avez pas à vous y prononcer vous prononcez sur ce que vous avez. C'est vrai, c'est des échantillons. Voilà. La présence n'est pas effective, voilà. justement, au niveau de tous les bureaux de vote sur mm. l'ensemble du territoire. 26 000 bureaux de vote. Bien sûr. Merci pour euh, mm. ces précisions. Quelle euh, analyse euh, faites-vous à votre niveau de ce bilan globalement positif dressé par ces différentes missions d'observation Monsieur Clément Cocou, membre de la cellule de veille électorale mise en place par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le Ok, merci Michel, euh, merci pour euh, cette opportunité que vous nous donnez. Donc pour euh, revenir sur l'analyse de ces missions d'observation en fait, ils ne sont pas très loin de nos déclarations préliminaire parce que eh, il faut se dire que nous avons suivi tout le processus depuis l'enrôlement, la distribution des cartes jusqu'au scrutin. Nous avons suivi tout ce processus et nous sommes effectivement en droit de dire que dans l'ensemble, effectivement, ce que ces missions ont déclaré, tout s'est bien passé parce que nous nous sommes déployés, nous avons déployé des observateurs sur le terrain qui nous ont rapporté certaines informations qui cadrent bien avec euh, les règles et lois au niveau euh, des élections. Donc tout ceci a été observé et qui nous permet aujourd'hui de dire que vraiment, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Merci. Euh, Monsieur Maman Bacha, coordonnateur du réseau Espérance, à votre niveau, comment avez-vous assuré l'observation du scrutin présidentiel euh, deuxième tour du 21 février 2021 dernier Pour ce qui concerne euh, le scrutin du 21 février dernier, le réseau Espérance a opté pour euh, une observation indépendante. Pour le premier tour, nous étions dans une euh, coalition qui ne nous a pas paru, en tout cas opérationnelle, euh, tant par le mécanisme mis en place mais par l'objet du projet même, qui était un projet d'appui au processus électoral qui devait être à la disposition plutôt des organisations de la société civile qu'elle est censée appuyer, mais on s'est rendu compte que c'est les organisations de la société civile qui étaient complètement régentées au point où, euh, bon, il fallait même leur initier des déclarations et autres. Donc, ce qui ne nous a pas, en tout cas, paru, euh, en tout cas, conforme à notre éthique, à comment nous concevons notre autonomie en tant qu'organisation euh, de la société civile. Je ne vais pas revenir ici sur beaucoup de manquements constatés. et sur la base de cela, nous avons estimé qu'il fallait que nous menions, euh, comme à l'accoutumée, notre observation en toute autonomie et donc en toute indépendance, ce qui nous permet une certaine liberté, en tout cas de jugement, et euh, également une certaine flexibilité par rapport à notre propre mécanisme de collecte des données, d'analyse et de diffusion justement de ces données-là. Donc euh, pour le scrutin du 21 février, proprement parler, nous avons déployé donc des observateurs dans les huit régions. Il est vrai que nous n'avons pas couvert toutes euh, les communes. C'est un échantillon qu'on a pris qu'on a estimé qu'il pouvait être euh, représentatif, tantôt au niveau des chefs-lieux des régions pour euh, centraliser une certaine collecte de données tantôt au niveau de communes pour remonter justement les informations ici au niveau donc de notre cellule à Donc au total, euh, c'est un peu plus de 50 observateurs en tout cas qui avaient déjà participé aux observations passées qui nous ont permis de collecter des données avec euh, bien d'autres observateurs. C'est-à-dire chaque observateur a un minimum de 10 à 15 informateurs qui lui remontent aussi ces informations sur la base desquelles non seulement il fait sa fiche, mais il fait également ses commentaires, puisque nous avons opté pour une observation plutôt qualitative, puisque vous avez parlé d'échantillons tout à l'heure. Ce procédé-là nous a permis euh, justement d'avoir euh, les données qualitatives sur l'ensemble des huit régions. Et comme le disait tout à l'heure Clément, nous avons observé le processus euh, depuis les débuts, pratiquement aussi bien le processus d'enrôlement, le processus de des listes, la campagne elle-même et maintenant le, le, scrutin à proprement parler et tous les débats qui ont lieu autour euh, de cette question. Merci donc pour euh, l'éclairage. Monsieur Clément Coucou, quels sont les moyens que vous, vous avez à déployer pour jouer pleinement votre rôle euh, d'observateur au niveau de la cellule de veille électorale du WANEP Ok, merci. Donc, au niveau de WANEP, la cellule de veille électorale, comme vous connaissez, c'est un mécanisme effectivement au niveau de WANEP pour la prévention de la violence électorale. Donc, euh, pour cette élection, nous avons déployé 350 observateurs, dont nous avons plus de 76% qui sont des jeunes filles et des femmes, parce que cette fois-ci, nous avons eu deux cellules de veille. La première cellule, c'était bon, la cellule de veille imam qui est financée par l'Union européenne, mhm. où c'était mixte. Et l'autre, c'est la cellule de veille qui a été financée par euh, le PNUD d'Afrique en collaboration avec la CDAO, où nous avons déployé 200 filles, uniquement que des filles, qui sont déployées sur le terrain. Parce que on a compris que dans l'observation classique, on n'arrive toujours pas à faire le désagrégé du genre. Et donc, le PNUD a voulu que, quand même qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une documentation qui peut permettre de dire voilà le nombre de femmes, la, la participation, l'implication des femmes au processus électoral. L'autre cellule de veille, c'est le COSEF, c'est ça Le COSEF, voilà, mhm. exactement pour le COSEF, mhm. qui est le centre coordonné pour la sécurité électorale de la femme. Mhm. Donc, au niveau même de la cellule, et au niveau des chambres, vous avez vu qu'il n'y a que uniquement que aussi des femmes, juste pour pouvoir vous avoir vraiment le désagrégé de l'implication de la femme dans ce processus-là. Donc, en tout, nous avons 350 observateurs qui étaient sur le terrain, qui ont été d'abord formés, et d'abord, au premier tour, ils étaient là. Au second tour aussi, il y avait maintenant la mise à jour euh, de ces observateurs-là pour euh, le suivi, effectivement, de la violence électorale pour le second tour. Donc, tous ces, 350 observateurs font remonter, effectivement, maintenant les informations au niveau maintenant de la cellule de veille qui est placée euh, au niveau de, de, l'hôtel nous. Mhm. Donc voilà ce que sur le terrain nous avons déployé euh, pour euh, cette surveillance euh, électorale. Et qui prend en charge les observateurs que vous déployez sur le terrain, les frais de déplacement, de mission, de restauration, d'hébergement à l'intérieur du pays oui, tout ça, c'est le partenaire, l'Union européenne, le PNUD et la CDAO. Mhm. Donc, c'est euh, tous ces partenaires-là qui prennent en charge les frais inhérents au travail des observateurs sur le terrain. Est-ce pareil pour vous, M. Maman Bachar, du réseau Espérance Oui, en fait, pour euh, le premier tour, oui, euh, l'Union européenne nous a appuyés à travers une coalition. Mhm. donc, elle-même appuyée par un projet donc euh, qui est géré euh, par, un cabinet. En fait, bon, pour nous, euh, vraiment, cela a constitué le point de discorde parce que nous avons senti un recul par rapport à notre niveau d'organisation parce que nous nous sommes sentis coiffés plutôt par un cabinet qui décidaient à notre place et qui euh, pratiquement géraient tout. En fait, euh, <laughs> moi-même qui étais responsable logistique, en vérité, je ne voyais rien du tout. Et donc, bon, c'était vraiment une espèce de paravent qu'on avait créé, euh, juste une structure écran leur permettant eux de faire leur travail qui était payant. Donc nous, on a considéré que en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons pas fonctionner de la sorte, mm. tout en remerciant naturellement l'Union européenne euh, pour cet effort-là euh, d'appuyer, les organisations de la société civile, mais en lui demandant de mieux revoir euh, justement cette manière-là d'appuyer les organisations de la société civile pour les appuyer avec beaucoup plus d'efficience, avec beaucoup plus de qualité et d'opérationnalité, en tout cas de l'action, ce qui va permettre aux organisations de la société civile de quintupler, justement, comme nous l'avons dit mhm. dans notre euh, déclaration pour euh, les second tours, de pouvoir quintupler leur, euh, leur expertise et, d'être beaucoup plus opérationnels par rapport à la qualité de travail qu'ils sont en train d'abattre. Puisque à l'heure actuelle, notre société civile, il faut le dire, elle a une expérience de plus de 25 ans de procès électoral. Euh, nous avons suivi le processus électoral depuis, depuis les toutes premières élections, la COSIPEL en 1993. Donc, euh, bon, il est aberrant que nous soyons en 2021 en train d'être chapoutés par un cabinet euh, pour, pour faire une observation électorale basée sur un code électoral nigérien que euh, vraiment ceux qui sont venus euh, euh, d'ailleurs, en tout cas, ne le connaissent pas suffisamment, en tout cas, ne connaissent pas sa praticabilité sur le terrain. Donc nous, nous avons estimé que nous ne pouvons pas continuer et nous sommes revenus à notre style d'avant qui est l'observation vraiment autonome, euh, dégagé de toutes sortes d'emprises de qui que ce soit pour, euh, pour euh, justement non seulement faire une observation indépendante, mais également produire par nous-mêmes nos propres constatations et les partager avec le public. Est-ce qu'il faut résumer que vous n'avez pas eu d'appui particulier venant de l'État en dehors des accréditations, par exemple, qui sont accordées par la CENI La CENI nous a accordé une accréditation mhm. et a appuyé bien d'autres structures comme le réseau Espérance avec des frais de taxi, ce que nous, nous avons considéré comme étant des frais de taxi euh, qui sont d'un montant de 500 000, puisqu'il ne faut pas justement <laughs> penser qu'il s'agit euh, mhm. euh, d'une somme aussi importante que celle-là. Donc, c'est ce type d'appui-là, je crois, qui ont été donnés à la fois en 2016 et, bien avant. <laughs> Merci beaucoup. C'est donc cela votre souhait que cet appui soit renforcé afin que vous puissiez mieux <laughs> faire votre travail. Nous venons de recevoir euh, le troisième euh, invité qui nous a rejoint à l'instant. Il s'agit de Michael Zodi. Il est membre de l'Observatoire du processus euh, électoral Opel Niger. Monsieur Michael Zodi, bonsoir. Bonsoir. L'OPEL qui a également rendu public récemment sa déclaration par rapport à son observation de ce scrutin du 21 février dernier. Michael Zodi, membre de l'Observatoire du processus électoral au au Niger. Quel a été votre rôle à votre niveau dans le cadre de l'organisation de ce scrutin en tant qu'observateur euh, national Merci, je m'excuse du retard indépendamment de ma volonté. Euh, juste euh, pour vous faire comprendre que ce processus électoral, nous sommes là-dedans dès au début. De l'élaboration des textes, c'est-à-dire des lois, mmh. telles que le code électoral, et la mise en place de la CENI, des élections locales, Premier tour couplé au législatif, au deuxième tour. Et jusque-là, nous sommes en train de faire le monotouring. Mhm. et, nous avons rédigé un mémorandum dès au début pour attirer l'attention de la classe politique par rapport à une crise post-électorale en vue. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu de consensus autour de l'élaboration du, code électoral et aussi la mise en place de la CENI. Effectivement, dans notre rôle nous avons, d'éveil, nous avons effectivement attiré l'attention de tous les acteurs impliqués. C'est vrai, il faut rappeler que la CENI avait été boycottée pendant ah. un long moment par euh, l'opposition qui a finalement regagné mm-hmm. cependant sa place euh, en acceptant d'envoyer ses cinq euh, membres. Nous, nous pensons que nous avons joué notre rôle. nous sommes organisés à telle enseigne que nous n'avons pas besoin d'assez de moyens pour faire ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas reçu de financement de X ou Y. Euh, c'est de façon autonome et euh, de façon indépendante. C'est un financement propre sur le fonds propre que nous avons fait l'observation de ce processus électoral. Mm. Le fonds propre, c'est quoi C'est l'investissement qu'on a eu à faire, c'est-à-dire on a créé les conditions pour être dans les huit régions. Nous avons des coordinations régionales dans les huit régions. Nous sommes dans 47 départements, nous avons des coordinations. Dans 74 communes, nous avons des coordinations. Les communes dans lesquelles nous n'avons pas de coordination, effectivement, nous avons mis en place ce que nous appelons des points focaux. Hum. Donc, euh, l'innovation est que nous avons mis à la disposition de tous les citoyens qui estiment qu'ils ont constaté des irrégularités par rapport à la conduite du vote pour nous saisir autant vous avez même mis un numéro à leur disposition. nous avons mis un numéro à leur disposition. Mhm. Et ce numéro, ce n'est pas que le citoyen qui est sur, euh, dans telle commune, commune X qui appelle que nous allons prendre argent pour argent comptant, c'est ce qu'il a dit. Mhm. Mais nos coordinations locales qui sont sur place se déplacent pour vérifier l'information, soit confirmée ou bien infirmée. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. On a réussi à peu près 1600 appels, 1600 communications que euh, des citoyens. Et certains ont été vérifiés. Effectivement, nous avons la véracité des choses et les autres, ce n'était pas vrai. Donc, nous avons déployé 500 observateurs sur toute l'étendue du titre, en dehors de ces dispositifs. Au niveau de notre situation room, c'est-à-dire euh, notre centre d'écoute qui était euh, basé à notre siège, nous avons 24 de nos camarades qui se relaient. On est là 24 heures sur 24 pour hum. recevoir les informations. Et c'est comme ça nous avons pu observer ces élections et nous allons rendre publique notre déclaration. Et il y a eu le rapport euh, qui est déjà là. Selon vous, quel a été d'abord euh, l'enjeu de votre travail dans le cadre euh, de l'organisation de ce scrutin Vous savez, il est clair que quand la société civile observe les élections, c'est pour dissuader des éventuels fraudeurs. C'est pour donner plus de crédibilité au processus électoral. C'est pour qu'il y ait plus de transparence dans le processus électoral. Donc, on est parti, on a formé nos observateurs par rapport à ces enjeux pour qu'effectivement, effectivement ils veillent au grain pour savoir si ce processus électoral mérite notre acclamation, mhm. nos applaudissements. Et c'est de cette façon-là que nous avons travaillé. Et, Dieu merci, un peu partout, nos observateurs ont pu jouer leur rôle pleinement, sauf quelques cas rares où nous avons constaté, par exemple, à, la commune 5, où le président de la CENI locale, malgré l'accréditation de la CENI, avait empêché l'accès au bureau de vote à certains de nos observateurs. Mmh. Mais dans l'ensemble, globalement, euh, sur toute l'étendue du territoire, nous avons pu avoir des tentacules et aussi nous avons pu recevoir des informations que nous avons compilées et que nous avons rendues publiques euh, au grand public. Merci à vous, Monsieur Clément Coco, membre de la cellule de veille électorale mise en place par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le WANEP. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans le cadre de vos activités d'observation de ce scrutin. la difficulté, c'est ce que déjà à effleuré Michael, c'est qu'il y a certains bureaux de vote qui ont été refusés à certains de nos observateurs. Ça, on a relevé quand même cette difficulté. Sinon, euh, en dehors de ça, bon, je ne vois pas une difficulté majeure euh, vraiment par rapport à, l'observation qui a été faite. Quel bilan tirez-vous alors de ce scrutin présidentiel euh, deuxième tour du 21 février 2021 et enregistré un taux de participation de 62,91% selon la Commission électorale nationale indépendante euh, CENI, Mahaman Bacha, coordonnateur du réseau Espérance. Oui, le, bilan, euh, il faut le dire, il est, satisfaisant euh, en ce qui concerne l'amélioration substantielle donc, de conditions dans lesquelles euh, en tout cas, le processus a pu être conduit. Là, je parle euh, de la disponibilité en matériel, de niveau de formation donc euh, du personnel électoral qui était substantiellement amélioré. Je parle aussi de l'heure d'ouverture et de fermeture des de bureaux de vote. Je parle également de la disponibilité du matériel nécessaire pour euh, la bonne exécution de la mission, etc. Donc de ce point de vue-là, il est évident qu'il y a eu une amélioration substantielle par rapport au scrutin passé. D'abord au, local mhm. et ensuite au premier tour et, enfin euh, donc au, second tour qui diffère totalement des autres, en tout cas en ce qui concerne euh, cette euh, amélioration substantielle de la qualité. Mhm. Ça peut être lié au fait qu'il y a eu plusieurs exercices, ça peut être lié aussi au fait qu'il n'y a que deux candidats contrairement aux autres où il y a une multitude de candidats, puisque pour la première fois quand même, pour ce qui concerne le, premier tour couplé aux, législatives, on avait jusqu'à 30 candidats quand même. Mm. Je pense également qu'il y a eu un comportement civique, mm. en tout cas euh, assez important à souligner, en tout cas pour ce qui concerne l'ensemble de Nigériens et des Nigériens, en tout cas qui se sont euh, mobilisés dans la discipline pour exercer leur droit de vote. Par contre, il y a eu des défaillances, en tout cas, qui ont été constatées, notamment dans certaines zones euh, qui semblent être inaccessibles jusque-là, en tout cas euh, pour ce qui concerne la supervision euh, correcte, en tout cas de non seulement de la CENI elle-même, mais l'accessibilité pour euh, les observateurs euh, nationaux et internationaux. Ici, je parle des zones nomades, je parle des zones un peu en insécurité, etc., etc., où des faits quand même assez graves ont été rapportés, où il y a eu euh, vraiment l'exercice de certaines violences, certains types de violences, où la gravité de certains actes en tout cas sur le processus lui-même et qui sont de nature de notre point de vue, a impacté négativement sur la sincérité du processus ou sa qualité. Globalement, si on vous comprend bien, on peut dire que vous trouvez que le déroulement des opérations de vote euh, le 21 février dernier, le bilan, vous le jugez globalement satisfaisant. Oui, en tout cas, en ce qui concerne les déroulements, puisque mhm. tout le monde l'a constaté, il n'y a pas eu d'incident majeur, comme on l'a dit dans le jargon. Mhm. et tout le monde a constaté qu'il y a eu un incident à Dalgol avec sept morts. Oui, et euh, en ce qui concerne euh, Dargol, c'est une mine que les agents mmh. électoraux ont sauté. Mmh. Ça n'a rien à voir avec la diversité entre les candidats. Bien sûr. Et, justement, sur cet aspect-là, nous avons eu d'ailleurs à, présenter nos, condoléances à la CENI, à l'ensemble de, la nation, mmh. puisque c'est quand même des citoyens qui étaient en service. Donc, au nom de la République, donc euh, vraiment, il faut les déplorer et nous leur souhaitons, en tout cas, euh, qu'Allah les accueille dans le paradis éternel et que leur euh, mort ne soit pas vaine. Mm. Au niveau des DIFA, et également, il y a eu des incidents euh, euh, d'ordre sécuritaire et tout le monde sait ce que c'est DIFA à l'heure actuelle en termes de définition mhm. euh, de, la sécurité. Merci beaucoup. Michael Zodi, membre de l'Observatoire du processus électoral Opel Niger. Nous avons suivi les éléments d'appréciation donnés par Mohamed Bachar à votre niveau. Quelles ont été les forces et faiblesses des opérations de vote de ce dernier scrutin, la présidentielle deuxième tour du 21 février dernier globalement, il faut reconnaître que la CENI a pris en compte les observations du premier tour. Donc euh, la CENI a pu corriger un certain nombre d'erreurs que nous avons constatées par rapport à la logistique, par rapport à l'ouverture des bureaux de vote, par rapport à la formation du personnel électoral. Euh, la CENI a pris le devant. Donc globalement, les Nigériens sont sortis dans les calmes. Ils ont voter. Mais le hic est que, vous savez, l'observation électorale, euh, en dehors de l'environnement au niveau autour des, bureaux de vote, mhm. il faut aussi réfléchir à la remontée des résultats et jusqu'à la proclamation des résultats. L'environnement au niveau des, bureaux de vote, effectivement, nous avons constaté quelques achats de conscience, euh, quelques campagnes aussi dans certains centres de vote euh, où certains militants étaient venus avec l'effigie de leur parti politique euh, alors que la campagne était fermée. Était close déjà, ce qui est interdit par le code électoral. Le code, électoral. Bien sûr. Les achats de conscience s'observent dans la région de Maradi, Tilaberi et aussi Tawa. Mhm. Donc nous avons euh, nos observateurs ont constaté et nous avons pris même des photos. Des Quand vous dites achat de conscience, ça veut dire quoi Des gens qui sont venus avec des euh, billets de banque Des billets de banque, des pagnes, des articles, des différents articles du savon mhm. qui ont été distribués, euh, des pagnes le jour même du vote pour permettre aux gens d'aller voter tel candidat. Il y a aussi des cas de violence que nous estimons qui ont beaucoup entaché la crédibilité de ces élections-là. Il y a certains candidats qui ont été chassés à, à coups de gourdin à coups d'armes à feu dans certaines communes. Et nous, nous avons énuméré à peu près 12 communes, précisément dans la zone nomade, où ces genres de pratiques dans notre âge ont été exercées sur des paisibles citoyens, mmh. où on, chassait les gens. Particulièrement, il y a certains discours. Et aujourd'hui, chose que nous n'avons jamais vécue dans notre pays, depuis la conférence nationale à aujourd'hui, où il y a le candidat de l'opposition qui revendique la victoire, avec 50,30%. il y a aussi celui qui a été déclaré par la CENI. Vainqueur par, la, CENI, À travers les résultats globaux provisoires. Donc, mhm. comme si l'opposition a perdu confiance à ces institutions-là. Merci. Nous avons d'ailleurs euh, appris, il faut le noter, que le candidat Mahaman Ousmane a annoncé qu'il a décidé de faire recours à la Cour constitutionnelle par rapport aux irrégularités qu'il a constatées. Nous allons à présent parler des recommandations issues de vos observations. Quelles en sont les principales, euh, Monsieur Clément Cocou, membre de la cellule de veille électorale mise en place euh, par euh, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Ok, donc par rapport aux recommandations, nous avons fait d'abord des recommandations au niveau du gouvernement, c'est de tout mettre en œuvre pour créer vraiment un climat social apaisé de privilégier aussi la recherche du consensus avec surtout les acteurs politiques dans le règlement des points de divergence. Créer surtout aussi des conditions favorables vraiment une conciliation nationale vraiment qui soit durable. Devoir aussi de réviser le, le code électoral pour tenir compte souvent des manquements qui sont constatés sur le terrain. Quels manquement par exemple vous avez au niveau des, signatures, par exemple, si on mhm. au niveau des signatures, des délégués euh, au niveau des bureaux de vote, là, il y a vraiment très, il y a une vraiment grande confusion. Donc, des manquements par rapport à l'organisation du scrutin même. Voilà, mhm. c'est ça, qui est quand même vraiment une révision pour pouvoir permettre. OK Maintenant, par rapport aussi à, nos recommandations au niveau de la CENI, c'est de veiller vraiment aussi au, respect des lois et règlements, euh, surtout en, en matière électorale. De s'assurer aussi que chaque bureau de vote a bien fonctionné et de veiller aussi à s'assurer de l'effectivité du fonctionnement du bureau de vote avant de prendre en compte les PV. Bon, euh, à la Cour constitutionnelle aussi, nous avons dit quand même, c'est de veiller quand même aussi au respect des textes dans le traitement des contentieux électoraux. Il faut que la justice y soit pour éviter l'escalade vraiment de la violence. Merci à vous, Mohamed Bachar, coordonnateur du réseau Espérance. Est-ce que vous avez eu à formuler d'autres recommandations en dehors de ce qui est dit par euh, M. Clément Koukou, qui est de la cellule de veille électorale du WANEP Oui, nous avons formulé euh, beaucoup de recommandations en direction des différents acteurs, comme il a souligné tout à l'heure en ce qui concerne euh, le code électoral euh, lui-même, il y a un certain nombre de dispositions qu'il convient de clarifier davantage. Vraiment, il y a des difficultés. Et mhm. chaque fois, euh, moi qui vous parle, par exemple, en 2004, quand on était président de commission électorale, nous avons eu à enregistrer entre la date de notre présence sur le terrain et la date du scrutin environ 14 modifications. Donc chaque fois, avant telle chose, au lieu de lire telle chose, on dit lisez plutôt telle chose. Et, mais euh, euh, ces, types de situations-là ont persisté jusqu'au jour où nous sommes à l'heure actuelle. Par rapport à l'application des textes, il y a toujours des difficultés. Il faut donc euh, améliorer le code électoral. Il faut améliorer le code électoral et de le faire de manière consensuelle, mhm. c'est-à-dire vraiment dans la compréhension de tous, pas seulement des acteurs politiques eux même parce que eux, et leur objectif, c'est un code qui leur permet de gagner les élections. Notre objectif en tant que citoyen, c'est un code électoral qui permet de faire des élections fiables, viables, crédibles, mm. que tout le monde, dont tout le monde accepte les résultats. Donc on n'a pas souvent les mêmes objectifs entre nous et les acteurs politiques. Mm-hmm. Donc, il y a lieu de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, aussi bien politiques qu'associatifs, s'asseyent et regardent objectivement, en tout cas, les dispositions qui peuvent être réellement appliquées ou non en vue d'apporter des correctifs nécessaires pour les améliorer. Mmh. Là, c'est en ce qui concerne la CENI elle-même. Eh, toujours en ce qui concerne la fonctionnalité de la CENI, puisqu'elle est désormais permanente et les membres sont élus pour six ans, il y a lieu de mm-hmm. faire en sorte que de la même manière que la CENI est permanente, qu'on puisse créer une espèce de, de base de données pour l'ensemble d'agents électoraux à tous les niveaux. Mm-hmm. Pas seulement des gens qu'on recrute à la hâte, et juste à quelques jours du scrutin, en direction euh, des différents autres organismes des gestion des élections, notamment le Conseil supérieur de la communication, la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Intérieur même. Donc il y a lieu de faire vraiment un effort substantiel pour que, en tout cas, l'ensemble de leurs directives, de leurs missions, de leur organisation puissent être senties par l'ensemble des acteurs comme des missions de services publics, à mhm. équidistance ou à, distance par rapport aux préoccupations des candidats à liste. Parce que euh, vous avez vu et vous avez entendu l'essentiel des récriminations de certains euh, acteurs politiques, c'est de dire qu'ils ont comme l'impression que ces institutions-là ils, avaient leur camp à eux. Euh, mhm. Vous avez vu, par exemple, pour ce qui concerne euh, les violations de l'article 90-91, le Conseil supérieur de la communication, autant que le ministère de l'Intérieur, ils étaient en charge justement de constater lorsqu'il y a des campagnes avant campagne et lorsqu'il y a campagne, surtout sur les médias publics, de pouvoir les arrêter. Et les gens n'ont pas senti que ces institutions-là aient pu faire ce travail-là de régulation, en tout cas qui était attendu. Merci à vous. Michael Zodi, membre de l'Observatoire du processus électoral, quelles ont été vos principales recommandations, sur tous les aspects qui ne sont pas abordés par euh, vos collègues ici présents Au vu de ce qui s'est passé, au vu des irrégularités graves que nous avons constatées, surtout en zone nomade, euh, nous, on émet beaucoup de doutes par rapport à la crédibilité de ces élections. Euh, aujourd'hui, les zones concernées, il ne faut pas oublier que ces zones concernées ont rapporté beaucoup de voix et qui peut changer la donne. C'est pour ça que j'ai dit, au vu de ce qui s'est passé, nous émettons beaucoup de doutes, beaucoup de réserves par rapport euh, à la crédibilité de ces élections-là. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre déclaration préliminaire. Oui, mhm. et, c'est pour cela que notre première recommandation, c'est de dire à la Cour constitutionnelle de travailler en toute euh, impartialité mhm. et de travailler avec les preuves. Quand il y a recours, il faut que ces hommes nomades-là, la Cour constitutionnelle puisse regarder ce qui s'est réellement passer dans ces zones nomades-là. Vous avez dit, le candidat Ousmane a déposé des recours. Mhm. Vraiment, d'accorder une attention particulière à ces recours-là pour que la vérité puisse jaillir. Et pour finir, mhm. une recommandation forte, très forte, que notre processus électoral soit audité par des experts internationaux indépendants. En visant quel objectif En visant à améliorer le système électoral nigérien. Mmh. À savoir, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui répond aux standards Qu'est-ce qui doit être fait pour que, dorénavant, que le processus électoral au Niger soit un cycle Que ça ne s'arrête pas juste parce que effectivement, il y a eu élection. Il y a toute une batterie de dispositifs qu'il faudrait prendre avant le jour des élections. Et c'est ce qui ne se fait pas. Donc, du coup, il faudrait que ces experts-là puissent venir regarder tout le système électoral nigérien, repenser et faire une proposition pour qu'on puisse adopter un code électoral fiable, c'est-à-dire consensuel, accepté de tous. Vous avez vu, euh, notre territoire est vaste. 1 267 000 km carrés. Vous le savez, dans un bureau de vote, dans un centre de vote, il devrait y avoir des forces de défense et de sécurité. Mais nous tous, nous avons été sur le terrain, il n'y en avait pas assez. Merci à vous. Il faut le rappeler, les résultats globaux provisoires de ce scrutin présidentiel deuxième tour ont été proclamés dans l'après-midi du mardi 23 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et c'est le candidat du PENDES Tareya Mohamed Bazoum, qui a été proclamé vainqueur de cette élection avec 55,75% des suffrages contre 44,25% pour Maman Ousmane du parti Eder Kandi, selon la CENI, qui a indiqué que le taux de participation à ce scrutin est de 62,91%. Le taux de participation pour le premier tour, il faut le rappeler, c'était de 69,67% avant la fin de la proclamation de ces résultats l'opposition politique nigérienne réunie au sein de la coalition pour une euh, alternance politique CAP 2021 qui soutient la candidature de Mahamoud Ousmane avait rendu public une déclaration de presse lue par Falke Bacharou du RDR Tchangi pour indiquer que ces résultats ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple nigérien souverain. Fin de citation. Il faut rappeler que des heures de contestation avaient justement éclaté à Niamey le même jour et ont duré environ 72 heures avant le retour au calme. Avez-vous donc euh, été surpris en tant qu'observateur par ces manifestations post-électorales, Michael Zodi Non, nous n'avons pas été surpris. Ça, c'est depuis, je vous ai dit au code électoral, que nous sommes en train d'attirer l'attention des gens pour dire qu'il y a violence en vue. Alors, par rapport euh, au mouvement de contestation sporadique euh, constaté pendant ces 72 heures, que faire pour que de tels événements ne se répètent plus au Niger C'est clair que nous, on a toujours condamné les violences. Hein. Par rapport à toute question, nous condamnons les violences les voies légales sont là. Je pense bien que, d'ores et déjà, nous sommes satisfaits de constater que le candidat de l'opposition, M. Maman Ousmane, a déposé son recours à la Cour constitutionnelle. Mhm. Et nous, nous sommes en train d'insister sur l'indépendance de la justice. Parce que tous les problèmes que vous voyez au Niger, des cas de violence que vous constatez, c'est lié effectivement à l'indépendance de la justice. Nos aînés, les Bachar, nous ont enseigné que. Euh, notre dernier rempart, c'était la justice. Mais très malheureusement, nous avons constaté que mhm. ce n'est plus notre dernier rempart. Ce n'est plus notre dernier rempart parce que la justice n'est pas indépendante. C'est votre avis, vous appelez donc à l'indépendance euh, de, la, justice. Donc que la Cour puisse faire son travail mhm. conformément à son serment. Oui, c'est vrai. Les membres de la Cour constitutionnelle euh, sont des membres qui prêtent serment chacun sur le livre saint de sa euh, confession. et aujourd'hui, la technologie a évolué. Hum. Il faudrait que je condamne la coupure d'Internet pendant 10 jours. Hum. Et aujourd'hui, la Cour, quand la Cour va travailler, l'arrêt de la Cour sera public et les arguments de la Cour seront publics. Et nous allons lire ces arguments-là pour savoir. Euh, Maman Ousmane n'aura pas le choix de continuer à contester, ou bien M. Bazoum n'aura pas le choix de continuer à contester quand la Cour va dire la vérité avec des arguments fiables. La Cour constitutionnelle a donc euh, le dernier mot. L'article 112 du Code électoral euh, dit d'ailleurs que la Cour constitutionnelle est statuée en premier et en dernier ressort. Monsieur Clément Cocou, membre de la cellule de veille électorale mise en place euh, par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP, à votre niveau, quelles sont vos recommandations pour que la paix et la sérénité reviennent après la fin de ce processus euh, électoral au Niger. Je vois des, candidats, c'est vraiment avoir la confiance et d'accepter les résultats qui seront issus, qui sont issus des, des, des urnes. Maintenant, à la Cour constitutionnelle, si déjà quelqu'un fait déjà un recours à votre niveau, c'est quand même qu'on prenne en compte effectivement ces recours-là pour que vraiment la justice y soit. Parce que comme le disaient déjà les collègues ici, tant qu'il y a la justice, je pense que vraiment, on a une issue vraiment d'aller vers la paix. Mais quand on fait le contraire, c'est là où vraiment on arrive vraiment au chaos. Et c'est ce que nous voulons éviter. Il faut éviter donc le chaos. Donc, faut euh, vous appelez la Cour consonnelle à bien faire euh, son, travail, par rapport euh, justement donc à ces recours. Bachar Mahaman, coordinateur du réseau Espérance, à votre niveau, avez-vous des conseils particuliers à donner pour terminer Oui, les conseils sont des conseils à nous tous en mhm. tant que citoyens de ces pays. On doit se dire que le processus électoral aussi parfait soit-il et quel qu'il soit, euh, fera un vainqueur et un vaincu. Mais euh, nous voulons que la principale victoire soit celle de la démocratie, soit celle de l'État, soit celle de l'intérêt général. Il y a lieu à ce que la Cour, conformément au serment confessionnel de leurs membres, d'en délibérer conformément à la loi. À l'heure actuelle, euh, le processus euh, tel qu'il est conduit et le mécanisme tel qu'il est mis en œuvre, normalement, euh, il doit permettre à ce qu'il y ait manifestation de la vérité. J'ajoute que avant même qu'on arrive au stade des réclamations, la Cour envoie euh, ses propres représentants pour superviser les élections. Et ces, superviseurs-là viennent avec des rapports qui ont une valeur d'information. Mhm. Donc, avant même qu'il n'y ait des réclamations des candidats, en principe, la Cour est suffisamment renseignée par rapport à là où il y a eu des sérieux Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous appelez euh, donc la Cour à, dire le droit, rien que le droit, c'est cela et à le dire vraiment de manière impartiale. Et c'est cela qui va garantir la paix, la sécurité pour tous. Et c'est cela qui va amener à l'ensemble justement des parties prenantes à accepter les résultats tels. Lorsque la Cour constate une certaine gravité justement dans ces manquements-là, la Cour soit elle annule donc les élections dans les circonscriptions concernées. C'est-à-dire des, annulations partielles. Les annulations partielles et donc elle, euh, euh, elle autorise la reprise des élections dès les deux mois qui suivent, mmh. donc dans les zones incriminées. À défaut, la Cour, lorsqu'elle considère que ces réclamations ne sont pas de nature à changer substantiellement le résultat, elle peut faire ce qu'on appelle la réforme. Elle peut réformer et donc ces résultats-là et en proclamer les résultats définitifs. Donc de ce point de vue-là, je pense que du point de vue juridique, nous sommes sécurisés. Mhm. On peut vraiment aboutir à des résultats, de mon point de vue, qui sont acceptables par tous. Michael Zodi, pour terminer, votre appel à l'endroit des deux candidats, une fois qu'on aura justement cette décision de la Cour constitutionnelle C'est d'accepter les résultats sortis mhm. des urnes, véritablement sortis des urnes. Parce qu'aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur, la Cour constitutionnelle, bien sûr. Donc j'insiste, conformément à leur serment, mhm. de créer les conditions d'indiguer cette crise, cette violence post-électorale. Merci beaucoup, c'est bien compris. Il y va de l'intérêt du peuple nigérien, cette paix et cette stabilité que vous avez exprimé tous les trois après ce scrutin du 21 février 2021. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème le bilan des observateurs nationaux et internationaux sur euh, l'élection présidentielle deuxième tour euh, au Niger. Nous rappelons que selon l'article 156 du Code électoral, la Cour proclame les résultats définitifs dans les 28 jours de la réception des résultats globaux provisoires accompagnés des PV transmis par la CENI. La Cour a donc euh, au maximum 28 jours euh, pour se prononcer par rapport euh, à ce scrutin du 21 février dernier. Nous étions en compagnie de Michael Zodi, membre de l'Observatoire du processus électoral Opel Niger, Mahaman Bacha, coordonnateur du réseau Espérance, et de Clément Koku, membre de la cellule de veille électorale mise en place par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP. Nous disons merci à tous les trois d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir répondre à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs des 46 radios partenaires du studio Kalangu, grâce auxquels vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Dégir pour la présentation à la technique Abdoulaye Yakouba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.